nit yi nañu continuer liggéey d'accord hmm. da ngay jël Rosa Parks ñuy noot nit yu ñuul yi di leen di noot di leen di noot naan leen bis bii fii dafa am place nit ku ñuul fii am place nit ku weex mu mel ni dañ ko nangu jékki-jékki benn bés mu ne man nangootuma loolu mu toog place nit ku weex acca noir yëpp fipp donc hmm. nañu jàpp ne nit yi gumbawuñu taxuñu ñu ngi déglu ñu ngi sétane te sank Omar fay wax bu baax ah kenn xamul ce qui va se passer demain ou après-demain ou dans une semaine nit ñu ngi naan di naan di naan waaye bés dina jot mur et attention à un peuple qui se mobilise ndaxte li xewoon février ak mars bëgguñu ko gisaat léegi nag. Hmm? wax naa bañuñu ñu ne des médias dafa amel xaalis na fay mais li am tamit ci réew mi Serigne Saliou wax na ko mooy une sorte de kumba am ndey ak kumba amul ndey moo d'ailleurs Sénégal war nañ jëm foo xam ne soit avec Macky Sall soit ak ki ko nar a remplacer yenn yi foog ñu publier ko les rapports miniers c'est quoi le problème citoyen Sénégal mënul xam les rapports miniers les contrats miniers lu ñuy nëbb il faut que nous exiger de publier les contrats miniers mais de la même manière lan gouvernement du Sénégal nous publier mais voilà les entreprises Nous ne sommes pas en règle ni ci en règle je crois que démocratie redevabilité mm-hmm. d'accord war na egg foofu tey jii nii ñëpp ñu ngi naan waaw dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey te du tey des médias bu amone ligne rédactionnelle bo xamné moy wax li neex Macky Sall même bu amalee état du Sénégal 100 milliards kenn du ko topp loolu lu la donc il faut arrêter. d'accord loolu mënuñu ko nangu. Mhm. on ne cautionne pas que citoyens sénégalais yi bañ def du civisme fiscal. non civisme fiscal dañ ko encourager mais fi li ñuy pointer du doigt moy kumba am ndey boo xam dañ koy jëfëndiko ngir note ngir daan ño xamné bokku ñu gis-gis ak yow te loolu mënul continuer léegi nak amna lo xamné xeyna ne na jafel lo mobilisation bi. la communication. le non, le l'autorisation peut-être. personnalité Bougane c'est une personnalité clivante motax ñun ñuy sensibiliser en fait les Sénégalais qu'on aime ou pas Bougane il faut que ñu xamné l'enjeu dépasse Bougane c'est important or mentalité yi xel yi jotaguñu egg foofu ñu bëri lii lëndëmal seen gët lii tax xëy na ñuy toogagum seetaan ñu naan non non non c'est un homme politique dugg na fii génn na fii Bougane lii Bougane laa et cetera et cetera. non c'est-à-dire. Euh, est-ce que est-ce que non euh, non euh, c'est-à-dire oui c'est-à-dire c'est-à-dire. Omar Omar bàyyi ma. dama la bëgg wax. mais est-ce que ça va pas au-delà au-delà de ça Guy. non je suis sûr que di nga wax abondé dans mon sens mais il ma continuer sinon je vais perdre le fil de ma pensée il faut que nous wax sénégalais les démocrates de ce pays même moi APR les démocrates qui sont chez APR waruñu certaine vie même moi, les démocrates yi nekk ci Benno Bokk Yakar, waruñu certaine vie. il faut que nous mm-hmm. interpeller leen D'accord. Ils sont en danger. Nous sommes tous en danger. C'est important que nous leur nañ. Non, ça il faut, faut pas que nous politisions. Il faut, dire nañ. Ben, bi nous nous interpeller les organisations patronales nous notamment les interpeller les organisations syndicales pas syndicats patronal seulement mais les syndicats de travailleurs où sont les syndicats de travailleurs mais les enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes nuitamment données warul tax où sont les syndicats et les centrales syndicales de travailleurs waruñu Tok, cette année à commencer par les syndicats des journalistes nañu waxante dëgg. et aussi les autres syndicats ça veut dire quoi que que nous toog seetaan Guy Marius ça veut dire quoi que nous avons seetaan pour mieux comprendre si. nous toog des médias dafa am une atmosphère de toog mais je vais aller plus loin. mais lan nous war a le débat que pose Omar dafa am solo. il faut aller plus loin parce que y a il y a dafa am ay responsabilités partagées même si différenciées je questionne également l'attitude des journalistes Bonne manifestation ngay gis journaliste journalistes, des journaliste manifestation budul manifestation journaliste a journaliste journalistes. posons-nous la question ak manifestation nous sommes au Sénégal te yéen xam ngeen ci dara te bu journal ngeen woné deux wala trois manifestations yo xamné ne biir Dakar la yane manifestation ngay gis ay journaliste waxuma journaliste pour dedet je fais la différence non dafal ndànk. mais Guy Guy mais Guy attends euh, ban manifestation ngay gis ay journaliste manifestation bo dem gis fa journaliste. xaaral continuer waxuma. le caméraman qui vient au nom de Sen TV pour filmer prendre l'élément qui indi le journaliste jël micro talal dem du du wax de. journaliste buy ñëw en tant que militant s'engager ce jour la auto Sen TV wàccewu ko paasu Sen TV indiwu ko du caméra CNTV TV du micro CNTV TV est-ce qu'on ne se trompe pas de combat parce que les journalistes ils sont quand même sur le terrain. autant ils sont en train de couvrir vos manifestations ils sont en train de couvrir euh, les gens qui sont dans les hôpitaux ils sont en train de couvrir entre autres une manifestation. Guy. ni nga journaliste Nene Aïcha nous nous la assistant social fonctionnaire de l'État du Sénégal damay liguey comme yow watch après madame manifestation du peuple sénégalais fi may que quand les autres se battent, est-ce que les journalistes se battent évidemment. Non Mais si, Guy. Mais non, non, non, non, non, attends. Man, man, je suis. Man, non, non. Le médecin, ah. le médecin, il est d'un hôpital. did it? d'un hôpital. D'où moins manifester. Quand les gens se battent, où sont les syndicats de médecins Où sont les médecins Misal bobu la misal bobu la manam li lu est wone itam à chacun aussi son tour chez le coiffeur <laughs> et que donc ñun citoyen sénégalais ñun ñëpp damay jël misal ci bi war nañ gëna joxanté loxo war nañ gëna joxanté loxo war nañ gëna def Ben say pour wacc sur le terrain da ngay tok yenn say ci yenn plateau yi nga nan est-ce que ñi ils n'en font est-ce que ñi ils n'en font pas trop fekk ne eux c'est eux la prochaine cible c'est vrai faire une analyse ici sur un plateau c'est bien mais de lolu moy militantisme le l'eau et watch sur le terrain avec les populations je fais ce distinguo là. d'accord alors la mobilisation d'aujourd'hui am ñu bu ñu mu dañ day c'est-à-dire. c'est cette réflexion là c'est-à-dire quand aujourd'hui Guy Marius appelle à une mobilisation pour dire non à l'augmentation de l'électricité ñu c'est lui qui récolte les fruits alors c'est pas ça il faut savoir faire la part des choses il faut savoir faire la part des choses. il y a des calculs politiques dans ce truc alors qu'on parle on parle de problème de citoyenneté on est en train de sauvegarder une mamelle nourricière qui est là des médias c'est ça le fond du problème il faut que y de la part des choses mais il y a trop de calculs dans nos combats des médias est là a des problèmes comme on a l'habitude de le faire quand TFM avait des problèmes pour que nous oublions bi Ablaye quand Bara avait des problèmes avec l'État du Sénégal le peuple s'est levé et les gens sont mobilisés et une Sall ne me laissera pas mentir mhm. tout le monde était là pourquoi les gens ne le font pas aujourd'hui c'est parce que en grande partie les groupes de presse ni comme c'est des hommes d'affaires qui gagnent des marchés Laissons les journalistes créer des groupes de presse c'est ça le fond du problème Nous, avons xaalis léegi ñoo créé di créer groupes de presse di jël journalistes yi di leen takkaloo ay alors c'est ça le problème dans ce pays. laissons ces journalistes. soutenons-les. je suis pas d'accord avec toi pour qu'ils créent des groupes. je peux te parler pas mal de groupes qui sont qui sont gérés. oui mais takkal ay journalistes ay œillères ça également c'est c'est frappé fort c'est frappé fort quand même. nee euh, euh, euh, tu vois aujourd'hui tu vois une une boîte ça ne rend pas certain dans la nuit avant de partir c'est une salle arabe non mais que euh, euh, politique ça veut dire que c'est un c'est quelqu'un qui est issu du secteur c'est un journaliste avant tout créer groupe mais Omar groupe te état jox ma marché mais mais mais télé bobu du attaquer état il faudrait ni ñi dit, di appuyer les autres pour créer des groupes. il mm-hmm. faut qu'on aide les journalistes vous ne voulez pas être des milliardaires vous. Bah. <laughs> vous ne voulez pas être des milliardaires vous voulez continuer à rester comme ça du ay ay c'est ce que vous voulez. d'accord alors il faut que Cheikh c'est ce que vous voulez. Hein? si vous voulez ça on vous laisse vous allez continuer comme ça c'est ça qui est normal. Omar fi débat un travail d'explication il ne faut pas que nous désespérer.